je bëgg d'abord ñi ñu wax communauté africaine communauté internationale africaine madame Catherine Samba Panza mom lañ fi présidente euh, RCA République centrafricaine ñëw na une élection yëpp yëpp dafa elle a été incapable d'organiser des élections dans son propre pays donc lu a wax amul crédibilité waouh bala muy wax nañu wax xaalis bu ko Sassou Nguesso jox pour dëkkam mu yóbbu jël ko yóbbu ko New York tëj ko fofu rënk ko fofu donc l'Union africaine Catherine Samba Panza j'ai même des difficultés pour dire son nom deug lu mu wax du ben deug waxul lu mu wax amul ben crédibilité de l'autre côté l'UEMOA ñom itam ils nous déçoivent ça me déçoit parce que jigen nañu ñooñu ñëpp ñaar ils viennent avec des parlementaires de Guinée-Bissau des parlementaires du Niger des parlementaires du Togo mais dès que je me Quand lañ ce mës organiser élection donc la déclaration de l'union euh, monétaire ouest-africaine a ben valeur depuis le début on est en train de vouloir manipuler l'opinion de nous gomelonner qu'il y a eu 54 de taux de participation 54 de lan 54 de 5 millions c'est faux 54% de 3 millions, c'est faux. On ne nous dit pas 54% de la... Donc c'est faux. Aujourd'hui, la manipulation, alors que tous ces jours passés, tous ces jours passés, des estimations données à Manco Tahaou Sénégal et à d'autres, des groupes parlementaires. Maintenant, on nous dit non, Manco ne peut pas avoir un groupe parlementaire. Pourquoi Parce que le quotient électoral Maintenant, si nous divisons que nous avons que carte, par le nombre de postes des 60 euh, députés, nous n'avons pas Alors que tous ces jours-ci, on nous donnait 20, 16, 17, etc. Demain, aujourd'hui, il y a des journaux qui disent que le quotient électoral sera de 45 000, 54 000 voix. C'est faux Moussoul Am Sénégal, le quotient électoral, dans des meilleures élections, on n'a pas dépensé 30 000 voix, 35 000 voix. Il y a des Voilà. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que, bout de ne taqué, qui on va ouais, nous, nous, nous, nous, nous, etc. dama ne ku dugg sa violer sa jabar nga taxaw ne nga xam il va il va le faire et le refaire voilà il faut arrêter Et, comme l'a dit le maire Bamba Fall tout à l'heure moi personnellement je demande aux populations de Dakar de se dresser Nous nous satisfaire de l'élection.